Interpellé par le député Suman Sanda sur euh, le phénomène de la flambée des prix des produits de première nécessité dans le pays, le ministère du Commerce a répondu présent à cette interpellation afin d'apporter des clarifications aux préoccupations du député. Le budget de l'UPN qui, était de 11 milliards en 2021 est passé à 30 milliards en 2022, auquel il faut, euh, il faut ajouter encore 15 milliards de francs CFA, soit au total 45 milliards. Donc toutes ces ressources ont déjà été mobilisés pour faire face aux besoins essentiels des populations. Et une planification également, donc la planification euh, tient compte du fait qu'elle va s'étaler jusqu'au mois de septembre, donc pour couvrir entièrement la période donc, de soudure. En ce qui concerne les aliments bétail, le gouvernement a placé 90 000 tonnes pour un montant total de 24 milliards 870 millions 735 600. Il faut ajouter des interventions donc maintenant de la cellule filets sociaux. Donc au total, le gouvernement et ses partenaires vont injecter au cours de la période 2022 à 2024 un montant de 79 milliards 929 millions 372 120 francs au profit de 719 133 ménages, soit environ 5 millions 33 931 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette interpellation, les parlementaires se sont apaisantis sur les questions relatives aux dispositions et les moyens dont dispose le gouvernement pour appliquer ces mesures prises. Le service contrôle des marchés ou de, contrôle des, prix, où est-ce qu'ils en sont avec Parce que je sais qu'à l'époque, le ministère du Commerce avait une direction ou même une structure dédiée au contrôle des prix. Euh, est-ce que ce service existe toujours et qu'est-ce qu'il faut exactement S'agissant toujours de contrôle de prix, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est vrai que vous n'allez pas à la cuisine, mais il y a une flambée de prix du litre d'huile. Vous avez pris, monsieur le ministre, un mauvais exemple en parlant du pétrole qu'en voulant jeter des fleurs, comme quoi que le Niger n'a augmenté, n'a pas augmenté. D'abord, le Nigeria est producteur de pétrole, mais au Nigeria, il n'y a pas de raffinerie en marche. Donc le Nigeria importe le produit fini, ce qui fait que le Nigeria peut être à 1000 francs, le Niger ne peut pas l'être. Le Bénin est purement importateur. Le Niger est producteur de pétrole, et en même temps raffineur de pétrole. Et dans cette même salle, votre régime, il y a 11 ans de cela, s'est jeté des fleurs en disant que si les prix que les Nigériens attendaient à 300 francs ne le sont pas, ils sont à 500, c'est du fait des investissements qui ont été faits. Voilà 11 ans que vous roulez avec une raffinerie, 11 ans que vous maintenez des prix au même niveau et aujourd'hui l'essence devrait être au Niger à 225 francs ou à 250 francs plutôt que ça. Tout à l'heure, j'ai entendu des applaudissements. Sur les 57 minutes qu'ils vont avoir, vous aurez droit à 30 minutes d'applaudissements et de félicitations, alors que ça n'a rien. Et autre chose, je crois que lors d'un conseil des ministres, vous avez annoncé que l'Union européenne Venez à notre secours pour à peu près 23 ou 28 milliards, vous n'en avez pipé Où est-ce qu'on a né de ces 28 milliards Quand ben, vous fait Combien avez-vous reçu à la date d'aujourd'hui et quel usage vous faire Le ministère du Commerce a apporté des réponses aux multiples questions qui l'ont été posées par les parlementaires. La séance à plénière reprendra le mardi 7 juin 2022 à l'hémicycle. Pour le Hajj et la Umrah de 2022, les autorités saoudiennes ont déterminé des exigences sanitaires qui doivent être respectées par les pèlerins. Pour le test Covid-19, les pèlerins sont tenus de soumettre un résultat de test négatif PCR pour le corona pour un prélèvement effectué dans les 72 heures précédant la date du départ à la Mecque. Afin de satisfaire à ces exigences, les dispositions ci-dessous sont prises. D'abord, les vaccins demandés là sont disponibles au niveau de toutes les visite de terrain entrepris par le président de la République Bazoum Mohamed dans la commune rurale de Makolandi a pour objectif d'évaluer le niveau sécuritaire et de comprendre les besoins de ces populations déplacées. Pour rappel, la commune rurale de Makolondi, département du du région de Tilaberi, est située dans la zone du Liptako-Gourma. Depuis la dégradation du contexte sécuritaire dans cette localité, cette commune est confrontée à plusieurs difficultés. Une occasion pour l'autorité de la commune d'exposer leurs préoccupations et ceux des populations déplacées qu'ils soutiennent sans faille au président de la République. L'impact de cette insécurité est énorme sur le plan social. Il y a eu des déplacements de 1017 ménages avec, une un effectif de 6455 personnes dont vous avez en face de vous. Sur le plan éducatif, 60 écoles sont fermées sur les 96 écoles de la commune avec un effectif de 600 avec un effectif de 6124 élèves, dont 3149 filles et 2975 garçons. Sur le plan économique, la situation est critique car nous avons aujourd'hui des familles déplacées qui, sans le soutien de l'État et ses partenaires, ne peuvent se procurer de nourriture puisqu'ils ont tout abandonné à la maison et par manque de terre à cultiver pour certains. Cette situation a conduit à la fermeture de toutes nos stations d'essence et de gasoil, ce qui ajoute en plus des difficultés de déplacement dues à l'état d'urgence. Les difficultés à faire fonctionner les moulins des femmes, les moulins pour que les femmes puissent faire la cuisine. La pratique de culture irriguée, pour ceux qui utilisent les motopompes. Cela a cela a alourdi les corvées aux femmes et conduit le séchage des cultures. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour demander la réouverture de moins deux stations d'essence et aussi l'ouverture d'un service de transfert d'argent. La commune est aussi privée de tout réseau téléphonique depuis le 16 mai 2022 à partir de 21h46 Nous demandons également la réhabilitation, Monsieur le Président. Toujours sur le plan économique, la commune de Makalandi compte 6 marchés hebdomadaires et sur les 6, le seul marché de Makalandi est profitable à la commune. Les cinq autres ne sont plus à notre disposition. Après Maradi, Difa, Banibongo, Tilaberi et Azuru, l'homme de terrain était à Makolondi pour réitérer son soutien aux populations déplacées tout en promettant de créer des conditions pour retourner se déplacer dans leurs villages respectifs. Je suis particulièrement touché par votre mobilisation, par cet accueil que vous nous avez réservé malgré le contexte de vos difficultés d'aujourd'hui. La vie dans la commune de Macaroni aujourd'hui est faite de grandes souffrances que j'ai décidé de venir vous voir, vous saluer d'abord, mais surtout vous écouter. À ce problème du déplacement de population, et à leur détresse que je suis venu ici discuter avec vous et créer les conditions du retour des populations dans leur village. Je ne suis pas venu vous dire de retourner pour que je vous abandonne. Non, jamais je ne le ferai. Je vais évaluer la situation de façon détaillée et nous ne ramènerons les populations dans leur village que si nous sommes sûrs que nous avons garanti leur sécurité quand elles seront retournées. Et c'est pourquoi je suis venu avec tous les chefs de forces de défense et de sécurité. Notre but, c'est de faire en sorte que Retournez dans vos villages et que nous vous assurions la sécurité de façon conséquente. Cette visite, qui n'est pas la première du genre effectuée par le président de la République, Bazoum Mohamed, pour apporter son soutien à la population de Makolandi est la preuve que le président de la République s'attache à la question d'insécurité que vive sa population. Le terrorisme tel qu'il est à l'œuvre ces derniers temps, lui, il a eu un effet beaucoup plus perturbateur, beaucoup plus dommageable pour la vie des populations de cette zone. J'ai une pensée particulière pour les populations déplacées de tous les villages mais je me souviens en particulier de la violence avec laquelle les terroristes sont intervenus au village de Bolsi il y a de cela quelques semaines lorsque ils ont tiré à bout portant sur des personnes. Et c'est cela qui avait provoqué ce grand déplacement que nous voulons gérer aujourd'hui. Je sais que depuis que ce phénomène existe, la vie dans cette zone frontalière avec le Burkina Faso est devenue difficile pour les populations parce que leurs activités économiques sont perturbées et leur sécurité s'est beaucoup ressentie de ce phénomène. Mais ce qui est arrivé ces dernières semaines a été très particulier par sa violence et cela a dû provoqué le déplacement de nombreux villages, une dizaine de villages ici, une autre dizaine du côté de Makalondi. Et je sais que les populations de la ville de Torodi ont accueilli avec la solidarité propre à notre société une dizaine de milliers de personnes ont été prises en charge par les populations, par les communautés, avec l'encadrement des autorités civiles, avec la participation du chef de canton que je salue. Et c'est par la suite seulement que l'État et nos partenaires humanitaires ont pu intervenir. Je voudrais remercier les populations de Torodi, de la ville de Torodi, pour l'accueil chaleureux et fraternels qu'elles ont réservé aux populations déplacées. Les prévenances et la sollicitude dont elles ont fait montre à leur égard, qui est la preuve de ce que nous sommes profondément pénétrés dans notre culture par des valeurs qui sont des valeurs de l'islam et des valeurs de la fraternité ancestrale propre au continent africain. Je voudrais profiter également de ma présence ici à Torodi, qui est le chef-lieu du département, pour réitérer mon appel à tous ces jeunes qui ont versé dans ce banditisme, qui ont versé dans ce terrorisme cruel, ce qu'ils font là n'a pas de sens, que ça ne leur rapporte rien. Je voudrais dire à leurs parents, à tous qui peuvent leur envoyer des messages de bien vouloir relayer mon message que notre porte est ouverte. Nous pouvons leur donner une autre chance dans la vie, pour lui qu'ils renoncent à ce qu'ils sont en train de faire. Pour le Hajj et la Umrah de 2022, les autorités saoudiennes ont déterminé des exigences sanitaires qui doivent être respectées par les pèlerins ses exigences sur la vaccination et les tests Covid sont pour la vaccination. Il est demandé la vaccination contre la Covid-19 avec les vaccins AstraZeneca, le vaccin Johnson, le vaccin Pfizer, aux doses recommandées par l'OMS. Au moins deux semaines avant de se rendre au Hajj. La vaccination contre la méningite avec le vaccin tétravalent ACYW135 au moins 10 jours avant le départ à la Mecque. Une vaccination contre la fièvre jaune avec une dose de vaccin au moins 10 jours avant le départ pour la Mecque. La vaccination contre la poliomyélite avec le vaccin anti-poliomyélitique inactivé au moins 14 jours avant d'aller pour le Hajj. Ça, c'est pour la vaccination. Pour le test COVID-19, les pèlerins sont tenus de soumettre un résultat de test négatif PCR pour le corona pour un prélèvement effectué dans les 72 heures précédant la date du départ à la Mecque. Afin de satisfaire à ces exigences, les dispositions ci-dessous sont prises. D'abord, les vaccins demandés là sont disponibles au niveau de toutes les régions. Le passe vaccinal pour la COVID-19 s'est fait sur les sites suivants. Quand on dit passe vaccinal, <clears throat> même si vous êtes vacciné à l'intérieur, vous aurez un document. C'est ici qu'on établit le passe vaccinal. Puisque le passe vaccinal a un code QR qu'on ne peut pas falsifier. C'est ça la garantie. Ça se fait au niveau de la direction des immunisations. C'est au niveau du programme élargi de vaccination. Dans les locaux, là, c'est ouvert et c'est tous les jours. Au niveau de l'hôpital général de référence de niami au niveau du district sanitaire Niamey 1, district Niamey commune 1, c'est au niveau de Yantala. Au niveau du centre spécial, c'est au niveau du dispensaire du gouvernement, derrière le cabinet du Premier ministre. C'est là où on établit le passe vaccinal avec code QR. Pour la méningite, la fièvre jaune, la poliomyélite, la vaccination se fait dans les locaux des directions régionales de la santé publique. Les sept régions-là, on va voir pour le cas de Niamey. En dehors de Niamey, tout pèlerin, s'il veut se faire vacciner, doit passer au niveau des locaux de la DRSP ou Direction Régionale de la Santé Publique. Il y a des équipes là-bas 24 heures sur 24. Pour le cas de Niami, les sites suivants sont ouverts. Il y a le service de vaccination international, les anciens grandes endémies, en face de l'immeuble caisse de sécurité, il y a le CSI Wadad le CSI Aéroport. En ce qui concerne les tests Covid, le dispositif suivant est mis en place. Il est souhaitable que les pèlerins fassent le test antigénique ou test rapide deux semaines avant d'effectuer le test PCR. Et ce test antigénique se fait au niveau de tous les districts du Niger. Aujourd'hui, tous les départements, là où, en tout cas, les, les sites-lieux, les chefs-lieux, ou du moins là où vous avez les locaux du district, ce test-là est réalisé. Cet examen est utile pour le dépistage d'éventuels cas positifs bien avant la date de départ. Les cas positifs seront pris en charge gratuitement par les services de santé. Et le test antigénique rapide est gratuit. Pourquoi on le fait Il ne faut pas que le pèlerin attend, comme on dit, c'est trois jours avant le départ qu'on fait le test. Il vient, il fait le test, il est positif et il ne peut pas partir au Hajj. Et c'est pour ça qu'on a fait, qu'on a pris ces dispositions. Deux semaines avant d'aller faire son test euh, PCR, on lui fait gratuitement le test de dépistage rapide gratuitement s'il est malade, on le traite. Ça veut dire le jour où il va faire PCR, il va être négatif. Puisque si jamais il ne fait pas ce test rapide, il vient le jour où il va faire le test rapide, il n'a plus le, test PCR, n'a plus le temps. Dès qu'on dit qu'il est positif là, il ne peut pas partir pour le H. Ça, c'est des exigences vraiment très très rigoureuses que dès que tu descends de l'aéroport à la Mecque, elles vont reprendre le test. Si tu es positif, tu reviens de l'avion qui t'a amené. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris cette disposition, rendre gratuit le test rapide. Si tu es positif, on te traite. Deux semaines après, tu vas faire ton test PCR et ce qui est tu vas être négatif. Le test PCR est exigé et disponible au niveau des régions de Zender, Agadez, Niamey. Cependant, le QR code se fait uniquement à Niamey. Ça, c'est pour éviter la falsification. On le fait ici à Niamey, on l'a centralisé à des sites bien précis que je viens de citer au niveau de la direction des nations, au niveau de l'hôpital général de référence, au niveau du district sanitaire Niamey 1 et au niveau du centre spécial de santé du gouvernement derrière le cabinet du Premier ministre. Le prélèvement pour le test PCR Covid sera effectué 48 heures avant le départ des pèlerins, selon le programme de vol par groupe d'agences de voyage. Les chefs de groupe d'agences sont chargés de récupérer les résultats négatifs des tests PCR de leurs pèlerins. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un dispositif qui va être mis en place pour que, en fonction du programme de vol, puisqu'il y a un programme de vol, 48 heures avant le vol, le pèlerin va avoir son test PCR. Et le chef d'agence va récupérer les résultats positifs, négatifs. Le résultat positif, ça veut dire que dans tout le cas, même s'il le récupère, ça ne servira à rien. On va le garder, on va prendre le malade en charge. Et vous voyez, 48 heures, hein, c'est fini. Le malade ne peut pas voyager. Puisque tout celui qui va embarquer, la première condition, il faut qu'il soit qu'il ait ses quatre vaccins et il faut qu'il ait le test PCR négatif. Un comité technique composé de tous les acteurs impliqués dans l'organisation des Hajj est mis en place pour rendre effective ces dispositions. Ce comité, c'est le COHO, c'est tous les ministères qui sont impliqués dans l'organisation, c'est les agences de voyage pour le Hajj, en tout cas c'est tous les acteurs pour que les mesures là édictées par le royaume d'Arabie Saoudite soient respectées. Vous vous souvenez des problèmes pendant la Oumra Parce que par rapport à ça, il n'y a pas de pudeur. Il s'agit de la santé des populations qui vont s'y rendre. Le gouvernement invite tous les pèlerins, les agents de voyage, tous les acteurs à respecter scrupuleusement les instructions et exigences sanitaires voulues par le Royaume d'Arabie Saoudite. Vous voyez, l'innovation cette année on a introduit le vaccin contre la polio. Parce qu'il y a un cas de polio virus sauvage qui a été détecté au Mozambique. Et c'est un virus qui circule très rapidement. Et eux, ils ont fait de ça une exigence. Tout celui qui n'a pas été vacciné contre ce virus, même s'il débarque, il ne peut pas aller, en tout cas, dans, rentrer dans leur pays. Je rappelle ce qu'on va demander au niveau des services de vaccination internationaux, le coût de ces vaccinations, parce qu'il y a des vaccins qui sont payants, c'est la méningite et la fièvre jaune. Si la personne n'a pas de carnet, y compris le carnet, c'est 10 500 francs. Si la personne a son carnet, c'est 10 000 francs. Puisque le vaccin contre la fièvre jaune, c'est 1 500 francs. Contre la méningite, c'est 8500. Et le carnet, c'est 500. C'est ça qui fait les 10 500. Déjà, nous avons eu des remontées d'informations, les gens qui prennent 25 000, 30 000, c'est de l'escroquerie. tout c'est lui à qui on prend au-delà de 2500, c'est de l'escroquerie. Et c'est à lui de dénoncer. Le vaccin contre la polio, c'est le gouvernement qui l'a mis à la disposition de la population.